bon ñu ngi gërëm ñëpp nga xam si ne nag wax dëgg yàlla jàpp nañ ci liggéey bi ku mel ni waa Israël yi wax dëgg yàlla bàyyiwuñu benn yoon ah tout le temps ñu ngi suñ suñ côté ANIDA tamit monsieur monsieur le coordonnateur yokk Ablaye ñoom ñëpp ñu ngi suñu wet tout le temps su ma leen woowee ak gërëm tamit sama conseil sama conseil agricole bi aram wax yàlla moom it moom it jàmbaar la bu dégg bëccëg suba su ma ko wooyee mi ngi sama ginnaaw di gërëm tamit ñu topp sama ginnaaw parce que tamit maa jiitu mais tamit mbooloo mi nekk sama ginnaaw tamit lu am solo la ñoo ñoo ñoo ci jàpp tamit guddeeg bëccëg bàyyiwul bàyyiwuñ projet bi nag le ferme tamit bii bi ngi tàmbali ferme bi tamit ferme bi metti woon na mais tamit dañoo tamit serrer la ceinture xam ne tamit lii rek mooy dëgg parce que tamit ku la jox ku la jox suuf jox la ndox kon liggéey rek moo fi des moo tax ñu moo tax ñu takku góorgóorlu commencé bi ñu commencé en avril 2021 woon ferme bi deux ans rek la amagul kon ferme ferme bu bu buy buy buy buy tudd ndànk-ndànk la kon ñu demaguñu fenn moo tax bi ñu commencé ñu def suñu première campagne agricole ñu ne comme comme comme comme comme dañuy soxla yeneen ay ay programme ki lañ ki lañ taxawal fer kii bi euh, poulailler bi ak ak suñu propre fond démarré ci poulailler bi commencé gën suñu ay garab di planter ñu commencé léegi poulailler bi buñ jaayee euh, neefere bi moom lañ delluwaat ci tool bi kon loolu tamit benn bénéfice la ñaari avantage la parce que dañ ci am weccit tamit dañ ci amaal amaal tamit engrais pour pour pour tool bi ci lañ commencé tamit di defaraat euh, bëri réseau bi tamit dafa amoon problème réseau réseau d'irrigation bi lépp suñu xaalis lañ jël dépensé ko ci. am na ay réflexion yu ndaw tamit ñu bi tool bi lu mel ni bunt bi pour oto oto dugg ak génn métti woon na ñu mujj obligé tamit génne suñu xaalis defar ko am na tamit yeneen réparation yi tamit yoo xam si war nañu ko defar ci waat ci biir tool bi lu mel ne suñu panneau tuberculeux tente yi forme ay mbaar parce que naaj bi da koy yàq war nañu ko defaraat suñu chambre bi chambre phyto bi tamit war nañu ko defar parce que fii la fii la war a defar fii ah, produit phyto yi fi la war a dugg kon yooyu yëpp ay liggéey yoo xam ne ñu ngi ci te xaaruñ ci kenn waaw ak waaw ñu ngi bëgg tege tamit ay tracteurs yoo xam ne tamit danañ jàppale si mbay mi parce que dañuy soxla liggéey il faut dañuy xaar ñu naan tey suba la ngoon te boobaa tamit day tàlle suñu liggéey moo tax léegi nag ñu bëggoon tamit tracteur boo xam si ne buñ bëggee liggéey rek song ko def liñ bëgg ñu continuer liggéey bi tey rek lañ yaakaar pour tekki ci kon nag maa bëgg nag lépp loo xam si ne ay moyen la loo xam si ne jàppale na wàllu mbay mi nga jàppale ñu ko te li ngeen bëgg mooy souveraineté alimentaire incha bu ngi ngeen ngeen dana am fi on dit que au niveau des là, les fermes il y a la base productive ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a le système d'exo il y a la main d'œuvre il y a les équipements il y a tout a le programme bi suñ leen joxé parce que c'est coproduction là. ñun normalement ISRA une exclusivité pour produire ay pré-base mais ñu a une coproduction suñ produire paro. Semences semence yooyu ñom ñoom lañ koy joxat parce que nous avons leen utal agrément nous avons former def renforcement de capacité ils vont continuer le processus ils vont faire des semences de base semences certifiées semences R1 R2 donc le programme nous ñu donc yooyu yëpp waxtaan nañ ci au début. D'accord. cest bien mm-hmm. parce que l'initiative c'est mon maa déjà c'est tout ça. Mm-hmm.

te ANIDA ñoom am nañ déjà jumtuwaay. ndax def nañ ko. def rek même bu fekkee ñoom ñoo di directement seen les GIE. maintenant il faut ñu définir rek ñoom ñoo xam ne lii ñoom des fois dañuy am problème. bu ñu daan bay dara duñu am fu ñu ko jaay. n'est-ce pas c'est un problème de marché. si si. dañ ko daan am. alors moo tax ñu ne bu ñu demee ñoom def semence. Hmm. ñun xam nañ déjà fu ñu koy jaay. Hmm. Donc ça peut être dans un premier temps l'ISRA, dans un deuxième temps les autres structures, que eux-mêmes ils peuvent être. Mhm. C'est ça. Voilà, donc c'est pourquoi je pense que l'idée c'est de, mhm. faire de sorte que. Mhm. Donc, le mot surtout, surtout, surtout, donc, il faut que nous. Pour une bi il ñu war a mën déjà mhm. si possible dess ci Tolbi. bi mhm. parce que Tolbi, ils ont dit que c'est 15 c'est 15 hectares 10 si lañ aménager est moy goutte à goutte donc ça veut dire qu'il est possible encore de faire l'extension ils ont un forage avec quel débit 60 mètres cubes 60 mètres cubes ils peuvent donc dans ce cas ils ont la possibilité mhm. de faire de l'extension même pour 4 à 5 hectares yokkaat également xale yi fi liggéey peut-être que voilà maintenant nak li indi xalé yi mooy que ñu gis ci seen. résultat mm-hmm. mais parce que bu ci ñi fi nek peut-être ils ont été les cobayes. Mm-hmm. faut aussi que ñu bañ fi génn. Mm-hmm. ci ce ci programme bi di ci am ay bor wala di ci am ay difficultés. d'accord là aussi c'est c'est le premier frein. Hein. c'est ça soo indiwaat keneen. effectivement donc il faut qu'on qu'on apprécie ça. d'abord euh, remercier ak niou monsieur le ministre euh remercier que surtout ak féliciter ko ci clairvoyance bu mu am par rapport ak. Euh, récapitalisation semence semences ñu am Sénégal euh, moi je dois dire d'emblée que cette ferme nous on la considère comme notre bébé parce que la mairie à l'époque j'étais premier adjoint au maire j'avais conduit toute la consultation publique parce que vous savez les questions d'appropriation foncière posent problème ici au Sénégal il fallait discuter avec les propriétaires terriens traditionnels ensuite euh, euh, continuer avec l'ANIDA à l'époque les consultations au niveau du, quartier de mhm. avec le président du conseil de quartier qui est là et le délégué de, quartier à l'époque. Donc nous, nous, avons réussi à avoir ces 15 hectares mhm. et ensuite nous avons continué l'appui aux fermes parce que nous, nous sommes convaincus, nous sommes d'avis que le développement local passe par la promotion de nos territoires d'abord. on a longtemps fait du top-down, comme on le dit. Il est temps maintenant de commencer par la base mhm pour développer, comme vous le dites, des, modèles pour permettre aux jeunes aussi de s'en approprier et de faire euh, la reproduction et l'extension vers les autres terroirs. Donc, monsieur le ministre, nous nous sommes disposés, encore la maire de Guéoul est disposée à accompagner cette ferme et à vous accompagner dans votre programme de, la promotion de l'agriculture globalement. Ben, comme le président ils ont quelques difficultés dans des problèmes d'équipement aujourd'hui soo xoolee ci ñebe bi attaques. ci ay lëkk ay jaar ak parce que tout simplement clôture bi grillage si on pouvait avoir un soubassement de 3 à 4 rangées de briques. au moins on na tax lutter contre ces prédateurs. L'autre chose, c'est le tracteur. nous, au niveau de la mer, on appuie toujours sur tracteur. Et comme le disait tout à l'heure mon ami Fall, l'idée, c'est d'avoir une ferme à plusieurs vocations. C'est ça l'idée, diversifier un peu les spéculations, mais diversifier aussi les activités globalement en intégrant euh, l'élevage. Euh, la deuxième chose que je vois, c'est le renforcement des capacités en termes de deux packages. Euh, le premier, je le disais au DG, c'est le renforcement des capacités techniques de ces agriculteurs. La deuxième, c'est le renforcement de la capacité de gestion parce que c'est des entrepreneurs. Donc il faut une bonne gestion pour pouvoir réussir ce que nous sommes en train de faire. Donc voilà globalement. Euh, le reste, c'est de remercier nos partenaires, à commencer par, l'ANIDA, qu'on félicite, ensuite l'ISRA qui vient d'intégrer l'affaire, mais aussi l'ensemble des autres parties prenantes, les services techniques, vos services techniques, euh, le village de Ngéoul, avec leur engagement, leur dynamisme et tout, et vous féliciter et prier Dieu que vous longue vie et vous, donne, vous dans la réussite de vos missions. Merci beaucoup. Et les, autres formations, c'est les formations techniques sur les itinéraires techniques. Et ça, ça continue avec la coordination et les conseils agricoles. Mais la formation de base a été déjà faite. Même, sur l'agroécologie aussi, on les a formés sur l'agroécologie. C'est pourquoi ils ont commencé même à implanter des, à planter des arbres forestiers et des, des agrumes, des manguiers. C'est pour un peu diversifier les ressources de l'eau. Pour le mellifera aussi, on les a toujours conseillé de planter du mellifera de, la clôture.